le forum du studio Calam. le forum du studio le forum du studio Calam. le forum du studio Calam. forum du le forum du le forum du forum du 18h euh, passées de 15 minutes, on est vendredi 8 mars 2019. Euh, euh, merci de rester en compagnie des programmes de Studio Kalangu pour suivre le forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire consacré au décryptage de l'actualité avec les confrères des médias. Aujourd'hui, actualité oblige, nous parlerons de la femme en cette journée internationale. Outre un focus sur l'autonomisation de la femme rurale, nous évoquerons la présence de la femme dans les médias. Pour parler de cette actualité singulière, nous sommes honorés de recevoir une journaliste dans ce studio pour le Forum de la presse, la première fois du genre. Madame Amina Nyandou, journaliste présidente de l'Association des professionnels africains de la communication, APAC section du Niger. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Abba Hassan Boukar, journaliste euh, de la radio alternative. Euh, bonsoir. Bonsoir. Et à la présentation, Raylet Soumana. Bonsoir à tous. Euh, honneur à la femme. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la femme cette année, la journée internationale des femmes, appelée également journée internationale des droits des femmes dans certains pays comme la France, a pour thème penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Sur le plan national, la promotion et l'accès aux infrastructures durables au service de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes et des filles est la thématique retenue. Honneur aux dames, Madame Amina Nyandou, pour vous, en quoi ces deux thèmes sont-ils d'actualité pour le Niger dans un contexte euh, où de nombreuses femmes sont victimes de violences, notamment dans les zones de conflit comme Difa et Tilaberi Merci. C'est vrai que nous sommes à l'honneur aujourd'hui, mais j'aurais voulu qu'un œil extérieur commence, c'est-à-dire l'homme. Euh, si l'homme commençait, euh, j'aurais le sentiment, en tout cas, d'avoir euh, une réflexion réelle de la chose, comme on dit. D'accord. Donc, euh, euh, malgré ça, je ne rate jamais l'opportunité <laughs> de m'exprimer. Donc, quand on me donne la parole, je la saisis. D'accord. Pour moi, euh, ces deux thèmes, ils se rejoignent, bien sûr, parce que penser équitablement et bâtir intelligemment pour innover en faveur des changements pour les femmes, on ne peut le faire sans des infrastructures appropriées. Donc, euh, pour vous dire que la thématique euh, sur le plan national, euh, elle n'est pas en porte-à-faux avec la, thématique au niveau international. pour moi, c'est vraiment une occasion pour réfléchir, réfléchir, je dis, à des actions concrètes et pratiques pour les femmes. Vous avez parlé des femmes en situation de conflit. Mhm. Dans les zones euh, de conflit, oui. Ces femmes ont plus besoin d'accompagnement que les femmes qui sont dans des zones qui ne sont pas concernées des, dans des conflits. Mhm. Parce que ces situations détruisent ces infrastructures-là, qui d'ailleurs n'existent pas partout, donc le peu qu'il y a, ces conflits viennent les, détruire. Mhm. Donc pour vous dire qu'elles sont la priorité, je me dis qu'un thème comme ça ne doit pas s'arrêter à juste une journée de fête. Ça doit être une bataille quotidienne, ça doit être une préoccupation de tous les jours mhm. des hommes et des femmes du Niger pour que les conditions de femmes des femmes s'améliorent. Mhm. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez dit que la journée s'appelle Journée des droits des femmes ailleurs. Pour moi, même si c'est une journée euh, internationale de la femme, pour moi, c'est toujours une journée des droits des femmes. Parce que les droits des femmes, ce n'est pas un mythe. Il faut que nous, femmes, on sache que... On ne le dit pas parce qu'il faut le dire. Il faut que ça soit perceptible. Tout à fait. Il faut que ça soit une journée d'action, il faut que ça soit euh, en tout cas euh, l'occasion, en tout cas de poser des jalons pour des grandes actions en mhm. faveur des femmes. Mhm. Merci, Madame Amina Nyandou, journaliste euh, aussi. Monsieur Abba, je me retourne vers vous. quelle évolution avez-vous constatée s'agissant de la promotion de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et de la protection de la fille ici au Niger Merci beaucoup. Euh, je pense que dans le thème euh, de cette journée internationale, une des choses importantes, c'est le mot changement. Mm-hmm. Euh, changer, ça suppose qu'on a vraiment le besoin de tourner une page qui n'est pas celle qu'on souhaite. Mm-hmm. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, quand on regarde de façon globale, les droits de la femme, la situation que vivent les femmes aujourd'hui, que ce soit au niveau national ou à l'échelle internationale, il y a un besoin de changer euh, cette situation des femmes. Dans le euh, bon sens. Dans le bon sens, bien sûr. <laughs> Euh, alors, au plan national, on parle d'investissement. J'aurais souhaité qu'on aille un peu plus loin sur la notion d'investissement et ça permettait de répondre de façon beaucoup plus précise à la question pour mhm. savoir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué. Mhm. La notion d'investissement, elle est très vague et ce sont les féministes, ceux qui parlent de genre, qui nous l'ont appris. Parce que les investissements, peuvent avoir plusieurs dimensions. Mhm. Il y a des investissements qui peuvent viser particulièrement les femmes. Il y a des investissements qui sont considérés plus ou moins neutres, auxquels l'homme et la femme peuvent accéder de la même façon. Alors, quand on parle d'investissement au niveau national, j'aurais voulu qu'on dise en termes d'investissement, qu'est-ce qui a véritablement visé les femmes Est-ce qu'on a mieux investi à l'école pour améliorer l'accès des jeunes filles, par exemple Est-ce qu'on a mieux investi dans la santé pour réduire la mortalité maternelle. Et donc, je pense que ça interpelle les pouvoirs publics parce que euh, la notion d'investissement peut rester vague pendant longtemps. Euh, les États parlent d'investissement au profit des populations. Mhm. Ceux qui parlent de genre nous disent quelquefois la notion de population, elle est vague. Une société, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des, jeunes, c'est des personnes d'un certain âge. Mhm. Et donc, ceux qui travaillent justement sur la notion déjà, sur le droit de la femme, qui veulent faire évoluer les situations des femmes, nous disent il faut bien que le gouvernement aille plus loin en faisant des investissements qui disent à qui ça profite. Est-ce que ça profite plus aux hommes ou aux femmes mm-hmm. Est-ce que ça profite aux deux de la même façon Est-ce qu'on a précisément visé les femmes à travers ces investissements En quelque sorte, un suivi après euh, leur action. Le suivi après l'action, mais prendre conscience y compris lorsqu'on parle d'investissement, les besoins des femmes et des hommes ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut viser précisément les besoins des femmes. Aujourd'hui, euh, quand on voit que la mortalité maternelle est un des problèmes essentiels de notre système de santé, qu'est-ce qu'on fait pour le changer Et quand on investit, on investit dans quoi Est-ce que l'investissement s'est fait de façon à agir directement sur la mortalité maternelle mhm. Et donc c'est pour ça que quelquefois les discours publics restent vagues. Parler d'investissement au profit des femmes, c'est simplement un discours classique qui consiste à nier que les besoins des femmes sont, des hommes et des femmes sont différents, que les besoins des jeunes et des gens âgés ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, lorsqu'on dit on a investi, pour moi, faut quelquefois, ça ne veut pas dire grand-chose quelquefois. Il faut donc qu'on dise véritablement en quoi on a vraiment pris mhm. en compte les femmes dans ces investissements. Et donc, cette journée, et je suis d'accord avec Amina, mhm. il, y a souvent la dimension festive. On se retrouve euh, Parfois, c'est bien, il y a des conférences, on rappelle que la situation des femmes est assez difficile. Mais ça, c'est seulement dans les milieux urbains et la femme rurale. Dans les milieux urbains. Mais même dans les milieux urbains, il faut prendre conscience du fait que on évoque les problèmes des femmes pour les faire évoluer. C'est-à-dire, si simplement il s'agit d'évoquer pour dire en matière d'éducation, le tout dans l'alphabétisme est très fort chez les femmes, que la pauvreté est forte chez les femmes, etc. Mhm. S'il n'y a aucune mesure ou une démarche donc l'enjeu est de dire prochainement, le 8 mars, quand on se retrouve, qu'on puisse évaluer euh, de ce point qu'est-ce qui a changé. Si on n'est pas dans cette dynamique, ce serait simplement une journée festive. On a tendance à toujours faire les mêmes choses. C'est l'impression que j'ai, je me tromper. <laughs> Je vais profiter aussi de, de, son intervention pour un peu traduire sa préoccupation. Mhm. Quand il parle d'investissement spécifique aux femmes, effectivement, en parlant d'infrastructures, si euh, les pouvoirs publics investissent généralement dans les populations, rien ne prouve des investissements ben, Prenons la question de la mortalité infantile, par exemple. La question de la mortalité infantile, dans les budgétisations que, que l'État fait, est-ce que dans les communautés, on prévoit des service de maternité assez équipé, en tout cas perfectionné pour pouvoir aider ces femmes. Mhm. Est-ce qu'on prévoit, par exemple, euh, euh, des mesures d'allègement des tâches parce qu'une femme enceinte dans un milieu rural qui pile, qui va au puits, machin. Qui va chercher du euh, bois. Oui, c'est une femme à risque. Mhm, elle peut mhm. perdre, euh, en tout cas, elle peut avoir des, complications au niveau de sa grossesse à tout moment. Mhm. Donc, est-ce que les pouvoirs euh, publics prévoient des mesures d'allègement des, tâches Prenons la question de l'éducation dans les écoles. Quand on, est, on construit des, des classes, on construit euh, des latrines. Est-ce qu'on prévoit des latrines pour les filles Tout ça, c'est des investissements spécifiques que les gens ne voient pas. Mhm. Parce que euh, les filles, elles ont des spécificités que les garçons n'ont pas. Aujourd'hui, dans le cas de l'hygiène menstruelle, il y a beaucoup de filles en période de menstruation ne partent pas à l'école parce qu'il n'y a pas de dispositions nécessaires pour les accompagner et du coup, ça impacte sur leur scolarité. Vous voyez C'est pour vous dire que euh, c'est types, ce type d'investissement que nous, nous souhaitons mhm. et il faudra mettre en place que nous, organisations féminines ou les médias, en tout cas tout le monde, puissent se mettre en commun, mettre des mesures d'évaluation pour que chaque année, qu'on puisse dans tel secteur, par exemple dans le cas de, l'hygiène menstruelle, quel est le nombre d'écoles qui ont bénéficié de latrines spécifiques aux filles. avec en tout cas tous les accessoires nécessaires pour les aider. D'accord, mais avec euh, tout ce que vous venez de citer, ce sont des obstacles. Est-ce que dans ces conditions, on peut parler réellement d'autonomisation de la femme alors qu'il y a d'autres besoins qui sont là Bon, l'autonomisation, euh, c'est devenu un concept. <laughs> c'est devenu un concept. Mm-hmm. Mais euh, il y a des progrès qui sont en train d'être faits. Mm-hmm. Mais il faudrait que euh, qu'on ramène le débat à des questions pratiques. Mm-hmm. c'est un concept qui est là, les gens réfléchissent, ils disent autonomisation des femmes, machin. alors que l'autonomisation, pour moi, c'est un vain mot. Tant qu'il n'y a pas des actions qui montre, tant qu'on n'a pas des exemples concrets mhm. qu'on peut montrer d'une femme qu'on a suivie qui est en stade, euh, à un état zéro et que dans 3-4 années, on, on, la retrouve avec des employés. Oui, avec euh, oui, un, mhm. état, euh, en tout cas, qui s'est amélioré par rapport à son état zéro parce que mhm. l'autonomisation, elle n'est pas juste économique. Il y a de plusieurs formes d'autonomisation Aujourd'hui, dans les communautés, par exemple, on a des femmes leaders qui sont assez autonomes, qui n'ont pas de moyens financiers, mais en termes de, réflexion, en termes d'apport, machin, tout ça, qui mhm. sont assez autonomes. Donc, c'est des femmes qui participent aux affaires publiques, mhm. qui sont là. Donc c'est une, une, forme d'autonomisation aussi. Mhm. Donc, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est un concept. Les gens, quand on parle d'autonomisation, on voit juste la question financière. Non, l'autonomisation des femmes, pour moi, c'est la capacité d'une femme à développer des talents spéciaux ou bien à développer, en tout cas, euh, euh, des forces de, s'impliquer à tous les niveaux euh, dans la communauté. Merci, Amina. Ah, Monsieur Hassan Boukar, euh, selon vous, euh, est-ce que les femmes rurales sont assez impliquées dans tous ces concepts d'autonomisation de la femme Est-ce qu'elles sont euh, réellement impliquées pour développer ces actions-là <coughs> Bon, je, pense que quand on regarde les, milieux ruraux, les choses n'ont pas beaucoup changé. Hein ça n'a pas beaucoup changé. On retrouve toujours euh, euh, la femme rurale dans le schéma que vous avez décrit. Euh, les mêmes corvées. aller chercher du bois, aller chercher l'eau, etc. En milieu rural, mhm. je pense que ça n'a pas, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Mhm. C'est, un peu ça la situation. mais il y, en a qui se battent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours une image parfois difficile à concilier, l'image de cette femme fragile qui croupit sous le poids des travaux domestiques, etc quelquefois, ça cache aussi la femme qui s'investit, qui fait énormément de choses en milieu rural pour l'entretien du ménage, pour la société, etc., etc. Pour vous donner un exemple, euh, il y a quelques mois, nous étions dans le département de Kanché, rencontrer des femmes qui ont été rapatriées d'Algérie. Kanché, c'est la région des Anders. la région mhm. Alors, on a trouvé, nous sommes allés deux années de suite. Alors, la première année, quand on est allé, on avait trouvé un groupe de neuf femmes et un homme qui euh, de, vendre de l'huile d'arachide. Mhm. Elles ont obtenu un appui d'une ONG, elles achètent de l'arachide, elles essaient de vendre l'huile à quelques nerfs euh, à moins que le, prix du marché. Elles essaient d'attirer un peu de clients. Elles étaient très enthousiastes quand on les a retrouvés. Mhm. Et leur projet, c'était d'avoir leur propre moulin Mhm. Euh, alors là, pour faire l'huile d'arachide et tout ça. Pour décortiquer l'arachide et autres. Et donc, nous, nous on est allés en disant, mais est-ce que réellement ça peut être une alternative à la migration Et elle, à l'époque, elle croyait, elle pensait qu'elle tienne le bon bout et que ça leur permettrait d'être plus ou moins autonome, mhm. de contribuer au ménage. Alors, nous sommes retournés un an plus tard. En ce moment, c'était beaucoup plus de, déception parce que. Euh, elles font face euh, à la loi de l'offre et de la demande sur le marché. L'arachide est beaucoup plus cher sur le marché. Et du coup, lorsqu'elles l'achètent, elles n'ont plus de marge finalement qui leur permettait d'avoir des petites choses pour amener dans le ménage. Mhm. Et donc à ce moment, elles disaient, bon, euh, on s'est trompé il y a un an. Euh, les jugements qu'on faisait, finalement, ça n'a pas donné. il y a des impondérables, des choses qu'on n'arrivait pas à maîtriser, etc. Donc, selon vous, si elles avaient eu euh, de l'aide quelque part, elles auraient pu s'en sortir je, veux dire, la notion d'autonomisation, elle renvoie aussi à un contexte. C'est-à-dire, vous avez un contexte, c'est bien de l'étudier pour savoir quel est vraiment le besoin. À un moment, on a vu des ONG dire on fait le microcrédit. Un peu partout, on en a vu. Pour revenir encore à l'exemple de Kanché, mhm. à Kanché, certaines femmes qui ont fait la migration, quand elles ont obtenu les microcrédits, elles en ont fait des frais de transport pour retourner en Algérie, parce que c'est ça qui les arrangeait. Et donc, je veux dire, en matière d'autonomisation, c'est bien de le faire selon le contexte, en mhm. disant quel est réellement le besoin des femmes, selon l'environnement dans lequel elles se retrouvent, qu'est-ce qui est possible. Vous venez dans un village, si vous dites à toutes les femmes, faites la couture, il n'y aura pas il n'y aura personne pour. Tout le monde saura coudre. <laughs> et je veux dire qu'il y a vraiment un travail <laughs> mhm. pour arriver à, bien cibler les besoins. Parce il faut que, diversifier. Voilà, il faut diversifier. Si on n'arrive pas à bien cibler les besoins, je pense que la question d'autonomisation, elle ne pourra pas beaucoup avancer. Mais euh, pour me résumer, je pense que dans les milieux rural, moi, je ne suis pas beaucoup convaincu. Il y a beaucoup de concepts. Les mhm. concepts évoluent parfois au gré langues et des ONG, de la volonté des bailleurs de fonds. Aujourd'hui, on dit, voilà, alors, alors on a fait les microcrédits, aujourd'hui on parle... Euh, on parle d'autonomisation, on parle de résiliation, etc., on retrouve euh, tous ces mots euh, qui, qui, qui, évoluent, mais la réalité, peut-être que sur le terrain, à mon avis, elle a, elle a pu changer. Elle a changer. changer. Et donc, la situation de la femme aujourd'hui, je pense pour moi, on trouve toujours le chemin, encore une fois, que vous avez décrit. Cette situation, elle est là. C'est vrai que ça peut prendre des couleurs locales, mhm. mais au fond, la situation reste encore très préoccupante de façon globale. les femmes <laughs> rurales sont les plus nombreuses. Elles représentent 84% euh, des femmes. Donc, euh, il faut, oui, oui, c'est ce que les statistiques disent. Euh, comment espérer atteindre une égalité de genre au niveau au, Niger alors qu'il y a toujours des discriminations par-ci, par-là. Hein? C'est vrai que les disparités euh, entre hommes et femmes euh, sont plus criards en, milieu rural. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est. Il n'y a pas de. Nos commentaires, comme on dit. Il a pas de commentaire là-dessus. Mais euh, je, pour moi, les femmes, qu'elles soient en, milieu rural ou en milieu urbain, il faudra qu'on change d'approche en direction des femmes. En quoi faisant Cela veut dire que, comme le dit l'adage populaire, tu ne peux pas faire mon développement contre moi. Tu ne peux pas faire mon développement si moi je ne je, je n'approuve pas. Tu vois Donc aujourd'hui, ce dont Abba vient de parler, les bailleurs, ils vont, ils, ils, se mettent euh, euh, dans des systèmes de financement, les microcrédits, machin. Mais qui a vérifié si c'est de ça que les femmes ont besoin mhm. Ça veut dire qu'il faut changer de méthode. Au lieu que ça soit de, du sommet à la base, il faut que les ça gens... Remonte. Oui, il faudrait partir au fond pour discuter avec ces femmes, pour vérifier c'est quoi leurs préoccupations réelle. réelles. Leurs besoins. Oui, oh, c'est ce qu'ils viennent dire. Une femme, on lui donne, euh, la, femme de Kanché, on lui a donné du microcrédit et fait transport pour aller en Algérie. Parce que son souci, c'est sa pauvreté monétaire. Elle a besoin de, plus d'argent, donc il faut, il faut qu'elle aille euh, euh, en Algérie ou en Libye travailler, avoir beaucoup plus d'argent. Mhm. Vous voyez et c'est la même situation dans toutes les autres zones. Donc, tant qu'on ne vérifiera pas les besoins réels de mhm. ces femmes, on ne pourra pas de, euh, euh, régler leurs problèmes. On ne pourra pas les rendre autonomes. On ne pourra pas les rendre résilientes, euh, tous ces mots qui sont là. Il faudrait qu'elles-mêmes définissent leurs besoins, mhm. qu'elles réfléchissent elles-mêmes aux, solutions mhm. Et en les accompagnant, on peut avoir à une situation de durabilité. Mais tant qu'elles ne sont pas associées, il ne pourra pas y avoir de changement. Ça, c'est Le second euh, souci au, niveau, au niveau de, de, l'évolution en, milieu, en milieu rural, mm-hmm. c'est que les gens, a priori, les autres hein, qui viennent, ces bailleurs, ces projets, mm-hmm. pensent que en milieu rural, il n'y a aucune. Euh, euh, euh, en tout cas, il n'y a, aucune forme d'expérience, de, il n'y a, y a, pas de. que ces femmes-là ne, connaissent rien, en tout cas, qu'elles sont là, qu'il n'y a rien. Mhm. Nous, chacun a son savoir expérientiel, chacun a son, son talent avec lequel il est né, tout ça là. Mais il faut d'abord vérifier. Il y a aujourd'hui des, des, femmes rurales qui qui, te font des projets, tu vas te, te dire que mais d'où est-ce qu'elles sortent ces idées-là Donc les gens, ils viennent, ils viennent avec des préjugés. Et ce n'est pas favorable à l'évolution des, femmes en général. Parce que les femmes, il faut déjà, si on les ramène à leur euh, rôle biologique, déjà, le, femme, euh, la femme, elle est l'unité euh, familiale. C'est le pilier de l'unité familiale. Donc, en tant que pilier, mhm. euh, une telle personne, si, si il faudrait euh, l'exclure, il ne faudrait pas, en tout cas, la suivre, euh, discuter avec elle pour voir les, rayons, les, besoins réels mhm. qu'elle a. on ne peut pas, on ne peut pas la changer si elle réussit quand même, c'est tout le monde. Euh, qui tout à fait. Tout à l'heure, j'avais écouté sur VOA des femmes à qui on a posé des questions. Euh, c'est de la journée de, de, de la femme, c'est la fête aujourd'hui. Eh ben, elles ont dit, ben, nous, on n'a rien à foutre, on ne sait même pas que c'est une femme. C'est une journée qui est oui, méconnue oui, oui, oui, et elles disent que, ah, nous, on avait de Abam ah, ben, Jari. Voilà le premier mot qui sort. Ça, veut dire Ça veut dire de, euh, de, nous un, euh, un fonds, mhm. un pour, euh, pour pouvoir faire des activités génératrices de revenus. Oui, c'est le premier réflexe. Ça veut mhm, dire mhm. qu'il y a la question de, de la pauvreté monétaire. Tout tourne autour de ça. Chacun veut avoir de, de, <laughs> à manipuler tout ça là. Et ça, c'est vraiment une dynamique d'évolution de la société globalement. Donc, euh, la meilleure chose, c'est de demander à ces femmes euh, leurs besoins. Le temps de continuer le forum, nous allons marquer une petite pause. À présent, nous allons parler de la femme dans les médias nationaux, journaliste comme technicienne. Mais avant, je vous propose de suivre notre consoeur qui est là, Bouli Adamouide, journaliste de Bonferré. Nous allons lui poser la question. Madame Bouli, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la femme dans les médias du Niger, notamment les aspects compétences, salaire et responsabilités Merci, le Hirehila. Euh, bonsoir à, tous les auditeurs du, studio Kalangou. Euh, bonsoir à Ami, bonsoir à euh, L'évolution des femmes dans les médias, je crois que ça a évolué. elle est vraiment positive. Aujourd'hui, les femmes, on a des médias où les femmes occupent des postes de responsabilité, ce qui n'était pas le cas avant. En tout cas, c'était rare avant. Maintenant, c'est pas parce que est là, mais avec des structures comme APAC et tout, donc la femme journaliste a plus de visibilité, non seulement dans les rédactions, mais aussi euh, partout, dans toutes les autres euh, directions, que ce soit la, technique, euh, la diffusion et tout. Donc je crois que l'image de la femme maintenant a évolué dans les médias. Ça reste, c'est vrai Vous que ça reste. la comparaison par rapport à, à quelle période, quelle époque, par exemple par exemple, nous, quand on, a, commencé, par exemple, on n'avait pas tellement de, femmes dans les médias. Moi, j'étais venue à, Bonferré, j'étais pratiquement la, seule femme journaliste à Bonferré, de la rédaction de Bonferré. Aujourd'hui, nous sommes à nous sommes, euh, nous sommes six, six femmes, donc c'est déjà, déjà bien pour ma, pour ma rédaction. Et à la présentation aussi, sur, euh, sur 20, journalistes, je crois, nous sommes six. C'est pas, pas, voilà, voilà, c'est pas suffisant, mais bon, je, me dis que vraiment, on a eu une, une évolution. Mhm. Et quand on regarde dans les télés, que ce soit la présentation des, des, journaux, que ce soit le reportages tout, ensemble, des voix féminines dans les, dans les journaux, dans les éditions. Mhm. Donc, je me dis que c'est un plus. Espérons que cela va évoluer. <laughs> Donc, euh, au Niger, euh, en général, d'aucuns euh, disent qu'ils ils ont une mauvaise image des femmes journalistes qui travaillent dans les médias. Selon le Forum mondial pour l'expansion des médias, c'est une association internationale liée à la presse. Près de un tiers des femmes journalistes envisagent de quitter la profession à raison des menaces, intimidations ou agressions qu'elles subissent euh, et ces chiffres sont encore plus élevés dans les contextes fragiles euh, et les zones de conflit. Je veux vous poser <laughs> la question, <laughs> qu'est-ce qui pousse les gens à proférer des menaces euh, à l'égard des femmes, notamment au Niger, votre avis en tant que... <laughs> Comme... merci, merci beaucoup. Je pense que le milieu de la presse n'est pas très différent des autres milieux. Euh, certaines choses que vous venez de citer, on les retrouve dans l'administration de façon globale. Euh, on les connaissait moins euh, parce qu'il y avait une sorte d'omerta, une sorte de loi de silence. Les victimes ne parlaient pas beaucoup. Mhm. Je pense qu'aujourd'hui, on est mieux informé parce que les victimes osent prendre la parole. C'est donc des situations et peut-être que c'est par là que ça va changer dès lors que les victimes euh, commencent à sortir, à, parler, mhm. je pense que ça va changer. Mais c'est certaines choses, euh, je ne crois pas qu'elles soient propres au milieu de la presse. Euh, dans beaucoup de milieux où vous trouvez des femmes, je pense que vous avez parfois des résistances qui font que les gens ont toujours besoin d'avoir une hiérarchie qui ne soit pas seulement une femme. Alors, on s'est dit, euh, le chef ou la chef, alors quand c'est une femme, peut-être que les types de réactions ne sont pas les mêmes. Mhm. On le retrouve à la fois dans les milieux des médias comme dans d'autres milieux. Mais moi, je pense que ce que vous dites, oui, on peut le dire à l'échelle internationale, mais quand on revient au niveau local, mhm. euh, je prends en compte ce que vous venez de dire. Il y a peut-être une évolution, mais j'ai l'impression qu'on doit quand même avoir encore beaucoup plus de, femmes dans les milieux des médias. Mhm pour la télévision, oui, euh, c'est visible, il y a peut-être des changements, mais quand je prends euh, la presse écrite, par exemple, on a du mal à retrouver. Ah, en tout cas, je pense qu'il y a très peu de plumes, de, voilà, très peu, très peu de femmes. Or, euh, je pense que l'histoire du journalisme montre que quand on passe de la presse écrite à la radio, de la radio à la télévision, etc., ça montre que tous ces médias cohabitent et donc, euh, la presse audiovisuelle a aussi besoin de sa sœur, qui est la mhm. presse écrite. Mhm. Et donc, je pense qu'on aurait pu retrouver les femmes sur toute la chaîne, avoir des responsabilités et travailler. Donc, euh, les questions aujourd'hui qui concernent les violences que les femmes subissent et tout ça, bon, euh, il faut se demander est-ce qu'elles le subissent parce qu'elles est du milieu de la presse ou alors est-ce qu'elles le subissent parce qu'elles sont des femmes c'est beaucoup de questions peut-être sur lesquelles qu'il faut arriver à clarifier. Mhm. Mais pour moi, euh, le fait qu'aujourd'hui les femmes dénoncent, que les victimes sortent euh, dénoncer leur, euh, leur, bourreau, je pense que c'est peut-être la porte par laquelle on peut trouver la, la solution. Et à l'échelle internationale aujourd'hui, certains mouvements ont aidé justement les femmes à rompre la loi du silence. Je pense que pour les défenseurs des droits humains, ça a été quelque chose de... C'est très difficile. Hein. Dans les zones de conflit, par exemple, euh, ça a toujours été un calvaire de faire parler des femmes victimes de viol, par exemple. Ça a été extrêmement difficile. Euh, les, grands médias parlent des, guerres horribles comme celles qui, sont, qui ont lieu en Bosnie ou alors en Afrique, ce qui se passe en, en RDC. Donc je me dis, il y a des situations qui arrivent euh, dans beaucoup de milieux qui n'épargnent pas les milieux des médias. Mais je me dis, euh, aujourd'hui, c'est des situations, je pense, qui peuvent changer dès lors qu'il y a toujours la possibilité de dénoncer. ça peut, voilà, ça donne des portes. Maintenant, ça interpelle les responsables des médias de façon à rendre justice aux victimes. Et donc, je pense que la loi du silence à aider à propager ce type de pratique. Mhm. Mais dès lors que les victimes prennent la parole et dénoncent, je pense que c'est peut-être la porte de sortie. D'accord. Merci, Abba. Donc, Mme Madame je ne sais pas si euh, lors de vos monitorings ou autres enquêtes, vous disposerez de chiffres euh, de nombre de femmes dans les médias nigériens ici. Les chiffres, on en dispose. Une estimation approximative. L'estimation approximative, euh, les données qu'on a, elles datent de 2017. Et en 2017, nous avons 28% de femmes dans les médias, de femmes travailleuses. Et je vais aller plus loin en termes de, de présence aussi à travers les médias, mhm. des femmes qui prennent la parole aussi. Mhm. En 2017, nous étions à 15%. En 2018, selon le rapport provisoire du CSC, nous mhm. sommes revenus à 3%. Combien 3% de présence à travers les médias, de présence féminine de femmes qui prennent la parole, qui interviennent. 3%. Pour vous dire que... Ça, c'est inquiétant. oui, euh, mais je suis inquiète. C'est pour... inquiétant. C'est inquiétant. C'est pour ça, moi, je suis inquiète. Euh, mais selon vous, pourquoi est-ce qu'elles ne prennent pas la parole euh? Bon, ça, c'est vraiment une autre paire de manches de débat. Mm-hmm. Si on extrapole pour aller dans, sur ces questions, je pense qu'on ne pourra pas les épuiser aujourd'hui. Mm-hmm. Eh, mais euh, je voudrais exprimer mon inquiétude par rapport à cette situation. Mhm. Et je vais lier mon inquiétude euh, à la profession du journalisme au féminin. C'est vrai qu'il y a de l'évolution en termes numériques. Elles sont beaucoup plus présentes dans les médias audiovisuels. Euh, notre enquête de 2017 nous a démontré que celles qui choisissent <laughs> l'audiovisuel, je m'excuse auprès de <laughs> ma consoeur qui est à côté, elles vont plus par, par besoin de végétariat euh, qu'autre chose. C'est ça. Euh, entre guillemets. Oui, entre guillemets. <laughs> Maintenant, pourquoi il n'y a pas de présence en presse écrite Parce que ça demande plus d'efforts parce qu'il faut, il faut, il faut vraiment, euh, en tout cas, écrire un article mhm. demande beaucoup plus euh, de concentration, beaucoup plus de, euh, en tout cas, de... D'éloquence surtout. non, de, de, culture générale, d'ouverture, de capacité à rédiger. Ben, alors que, en tout cas, l'oralité, elle est, elle moins difficile. Mhm. Pour vous dire que, moi, pour moi, notre notre euh, capacité à résister, mm-hmm. notre capacité à être plus représentative dans les médias va influer aussi sur la présence des femmes à travers les médias. Parce que il vient de dire une chose importante. Il faut parler, il faut briser le silence. Donc nous femmes de médias, c'est nous les premières briser qui doivent briser le silence c'est nous qui devrons parler pour encourager les autres à parler. C'est nous qui devrons exceller pour encourager les autres femmes à exceller. Moi, je suis convaincue que nous devrons être des modèles de société. Et les journalistes, globalement, hein, que ce soit femme ou homme, dans toutes les sociétés, le journaliste, il est le repère. C'est lui le modèle. C'est lui le contrepoids. C'est lui qui est là pour éclairer les autres. Peut-être euh, parce que ces femmes journalistes-là n'évoquent pas ces, certaines, certains sujets euh, sur les ondes pour sensibiliser les personnes, les voies de recours, euh, comment elles doivent faire. Euh, il y a tout ça. Oui. Oh, il y a des questions de professionnalisation qui sont là. C'est ce que je dis. Pourquoi je dis je suis inquiète. Hein? Mhm. à mon avis, si on ne fait pas attention, nous sommes en train d'aller vers l'instinction du journalisme féminin. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas pour moi, mhm. les femmes journalistes sont en train de se réduire juste à une présence féminine dans les médias. C'est quoi une présence Elles sont là, elles exécutent, elles viennent, elles partent en reportage, elles reviennent. On ne sent pas l'engouement, on ne sent pas l'engagement à faire l'amour du, métier. Oui, du vrai journaliste, à mhm. faire des, avoir des initiatives, faire mhm. des enquêtes on n'est pas obligé d'attendre des projets. On peut nous-mêmes initier des productions qui peuvent faire ressortir toutes ces questions, tous ces mots qui minent les femmes euh, nigériennes. Mmh, mmh. Il, faudra qu'on évolue vers ça. Et ça, c'est des, des, des, questions de, professionnalisation qui sont là. Il y a des questions d'engagement mmh. et il y a aussi d'autres facteurs exogènes, notamment cette question de, conciliation de, vie de famille et de vie professionnelle que nous n'avons pas, n'arrivons pas globalement à, mettre en place. Il faudrait que nous ayons une vie unique. Mhm. C'est ça le, défi. C'est pour ça, dans, ta présentation tout à l'heure, tu as dit que euh, ils, ont dit que beaucoup de femmes projettent de, quitter. Mais elles quittent. Mm. Je vous donne les raisons à la sortie de l'IFTIC, il est prouvé que plus de 50% des diplômés à l'IFTIC sont des femmes. Mm-hmm. Plus de 50%. Et je vous ai dit qu'en 2017, nous sommes à 28%. Le reste, ils sont partis où <laughs> ailleurs. <laughs> Donc, euh, Bouli, vous êtes euh, journaliste euh, à Bonferré. Selon vous, que faut-il faire pour améliorer positivement l'image de la femme journaliste, mais aussi rehausser leur taux de présence dans les médias aussi, aussi le taux de, présence des femmes dans les médias, que les femmes puissent occuper les médias, que les femmes soient présentes sur les médias. La, la tradition qu'on a ici, on ne parle spécifiquement de femmes que le 8 mars, le 13 mai. Et je me dis, et le, 9 mars, et le 14 mai, et les autres journées. Donc moi, je me dis que c'est à nous, les femmes journalistes. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Ami a dit. On, a, on, voit, c'est vraiment un manque d'engagement des femmes à, faire le métier. Je suis vraiment d'accord avec elle. on devrait faire en sorte que les femmes, que toutes les journées, de l'année, soit des journées pour les femmes. Mhm. On devrait leur donner la parole. On devrait aller les trouver où qu'elles se trouvent pour mhm. leur donner la parole, pour montrer que ces femmes-là, les femmes nigériennes ne sont pas que des femmes vulnérables, marginalisées, ce sont des femmes engagées, des femmes entrepreneurs, des femmes qui contribuent au développement du Niger. Et beaucoup d'exemples sont là pour le prouver. Mhm. Donc c'est vraiment à nous de le faire. Et quand Ami dit qu'on ne veut pas aller, on ne veut pas exercer le, métier après lifting et tout notre situation, il y a vraiment une situation très, très pénible que nous sommes en train de vivre dans les médias au Niger. C'est la situation pécuniaire, j'allais dire. Euh, les médias au Niger, surtout les médias privés, ça ne paye pas. Exerce le métier peut-être parce que beaucoup se disent qu'ils n'ont pas là où aller. Ils n'ont pas, voilà, c'est à défaut, ils n'ont pas d'autre ici. C'est pourquoi on, exerce le métier. Et maintenant, tout le monde se dit que vraiment, on, travaille, c'est pour gagner quelque chose. Et si tu vas travailler dans un média privé au, au, Niger ou dans un média euh, globalement au Niger, mhm. vraiment, il faut travailler parce que tu as envie de le faire. Mais il ne faut pas, à mon avis, attendre quelque chose parce que tu ne vas pas l'avoir. Mm. Il a pas, les conditions ne sont pas remplies pour faire le travail comme il le faut. Vous tant que femme journaliste au sein de votre média, qu'est-ce que vous faites euh, pour euh, un peu attirer l'attention des femmes qui subissent ces discriminations de sortir euh, de ce silence-là Est-ce que vous avez des émissions que vous faites pour... dans ce sens. Voilà, à part les, reportages que je fais qui sont factuels, qui, donnent la parole aux, aux femmes, qu'elles soient rurales, qu'elles soient urbaines ou rurales, j'ai une émission personnellement, une émission de femmes qui est intitulée Visage féminin. Voilà, donc c'est une émission qui donne la parole aux femmes. La femme nigérienne entrepreneur, la femme nigérienne leader, la femme nigérienne inspiratrice qui vraiment qui, sert d'exemple pour les autres femmes. C'est pour permettre à tout le monde de voir la femme là, ce qu'elle est en train de faire, son engagement, sa détermination pour le Niger mhm. et qu'elle puisse servir d'exemple, qu'elle soit un modèle pour la jeune génération qui est là et pour les autres aussi qui sont à la maison. C'est des femmes que, je suis généralement dans, le, enfin, dans, leur quotidien. dans leur quotidien, voir comment elles sont en train de faire euh, pour concilier la vie de famille, la vie professionnelle. Mhm. Et j'avoue que ce n'est pas difficile, mais parce qu'elles sont déterminées, elles sont engagées, elle arrive à le faire. Et ça marche. Il faut s'organiser. Il faut juste s'organiser. C'est tout. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est vrai qu'il faut s'organiser. Bon, moi, je vais t'arracher la parole avant que tu la donnes à <laughs> Abba. bon, c'est la journée de la femme. Hein. Je voudrais juste profiter de, de, la question de, de, la précarité du secteur. Je voudrais euh, vraiment dire à ma sœur euh, Bouli que le journalisme dans le monde entier, il ne paye pas. Ce n'est pas au Niger seulement. Il n'y a pas, d'argent en journalisme. Mhm. je voulais en arriver là. Ce qu'il faut, c'est un cadre de travail. Il faut, améliorer les conditions de travail. Mhm. Mais en termes de... Si les gens pensent qu'ils viennent dans le journalisme pour gagner de, l'argent, euh, nous sommes en train de, nous gourer. Il n'y a mhm. pas d'argent en journalisme, mais c'est les conditions de travail qu'il faut chercher à améliorer. Ça nous ramène à vraiment à des questions assez générales pour tout le monde. Hein. Il, faut, il faut vraiment euh, une convention collective, il faut, il faut des, un système euh, d'assurance médicale. Mm-hmm. En tout cas, il faut des facilités pour permettre d'évoluer, de, euh, en tout cas convenablement dans le secteur. Mm-hmm. Et en plus de ça, je, voudrais aussi appuyer euh, sa question, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour pouvoir améliorer euh, il, faudrait, il faudrait vraiment que euh, nous revenions à des bases, en tout cas assez professionnelles, à des bases assez rigoureuses. Mhm. Il faudra aussi essayer, en tout cas, de se, de se démarquer du lot. Même en tant que femme journaliste, on doit se démarquer du lot. Euh, oui, il faut qu'on se démarque du lot. Il faut, nous avons accepté de faire un métier euh, euh, qui était vraiment réservé aux hommes. Mais il faudrait qu'on soit assez compétente que ces hommes-là sur le terrain. Il faut qu'on soit à la hauteur. Ah, il faut qu'on <laughs> soit à la hauteur. Ah c'est vraiment une situation qu'on vit. Si on parle des femmes journalistes dans les rédactions, on vous, on vous regarde bizarrement parce que vous, pas, vous ne voulez pas travailler. Si on, va aller faire un reportage politique, on, prend un homme. Tout de suite, on pense à un homme. Si c'est un reportage politique. La discrimination. La, ah, discrimination. Non, moi, je me dis que c'est pas parce que les femmes ne veulent pas faire. On te demande de faire une fois, je dis, c'est politique. Je ne, peux pas. Mais tu vas continuer à ne pas pouvoir le faire tant qu'on ne le fait pas, on n'aura pas l'expérience. il faut oser le faire. Voilà, donc euh, avant, je reviens vers vous. Euh, selon vous, que font les chefs des médias quand ces situations de discrimination, les harcèlements et autres euh, se présentent Comment doit agir la journaliste Je pense qu'il faut d'abord prendre conscience. <laughs> Il faut prendre conscience du fait qu'on a des employés et qu'ils ont tous droit à être traités de la même façon traitement égal, droit égal dans les rédactions. C'est ça normalement qu'il faut faire. Mhm. Mais je pense que moi, je suis à l'aise quand j'écoute Boulier Ami parler justement de l'engagement, de la critique de l'excellence. Mhm. Partout, si on a des compétences, on s'impose. Ça, c'est ça, ça c'est assez clair. Le milieu de la presse, c'est aussi un milieu qui est assez rude. Hein. Ça a ses réalités. Il faut se battre euh, c'est tout à fait clair. Euh, quand on me dit, par exemple, que si un reportage politique, on pense souvent à un homme. Mais regardez sur le terrain politique. Quand il y a la politique, on pense souvent aux hommes. Les femmes sont souvent absentes du terrain politique. C'est peut-être ce type de, schéma, de clichés qui mhm. font que dans les rédactions aussi, quand on, pense, quand on pense politique, on pense homme. hommes. les positions des autres femmes. Et donc quand on pense politique, on pense hommes. Alors je pense que c'est aux femmes de se battre. Il faut mhm. qu'elles se battent dans les rédactions. Et je pense qu'un rédacteur en chef, un patron de presse, il fait toujours attention à ceux qui ont la qualité et la compétence dans le travail. C'est évident. Parce que euh, quand vous avez un média, vous, rentrez sur un marché où vous n'êtes pas seul, vous êtes dans la concurrence, vous êtes les meilleurs. Et donc, vous faites attention à des gens qui vous permettent d'être meilleurs mm. sur le terrain. Mm. Je pense que partout, il y a cela. Et il faut que les femmes se battent. On a la même formation, on sortit des liftiques il n'y a pas de raison. qu'on avait les, mêmes, les notes. Hein. on avait les alors, notes. Alors, ça veut dire <laughs> il faut qu'on soit capable, voilà, il faut qu'on soit capable de prouver par le travail pratique qu'on a des compétences et qu'on est Comme l'a dit euh, Ami, il faut savoir se démarquer. Je voudrais quand même, je voudrais quand même relever euh, une situation qui est là. Euh, en tout cas, au Niger, euh, on a moins de discrimination hein, par rapport euh, aux autres pays, mhm. parce qu'au moins au Niger, à compétences égales, on a des salaires égaux. en tout cas, surtout dans le secteur public où il n'y a pas de, problème de, salaire, les gens ont les mêmes salaires. Donc, il y a moins de discrimination. Maintenant, le, côté privé, c'est une situation générale qui est là. Il, faudra que nos entreprises de presse évoluent vraiment en des vraies entreprises de presse mhm. pour que ce qu'il a dit en tant que patron de médias puisse s'appliquer. Parce que si l'entreprise de presse est vraiment une vraie entreprise de presse, tout, oui, euh, tout le monde sera traité de la même, euh, au, même pied d'égalité et chacun euh, pourra contribuer à sa manière à l'évolution de sa boîte. Merci beaucoup et c'est ici que s'achève le forum de la presse spécialement dédié à la femme, nous étions en compagnie de Amina Touniandou, journaliste, présidente de l'Association des professionnels africains de la communication APAC, section du Niger, Bouli Adamouide, journaliste à la radio et télévision Bonferrey, et Abba Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain samedi et dimanche dès 17h15 pour le forum en Hausa, celui en Zarma, dimanche sur le rôle et les attributions de la Commission nationale des droits humains CNDH. C'était Soumana à la présentation et Saka à la technique. Au revoir.